chers amis de la FADA, bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission Tous à la FADA. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, la résilience des jeunes opérateurs dans le domaine du digital et des services en ligne face à une perturbation majeure, la coupure d'Internet. Selon la newsletter de African Industry, Cable les perturbations qui ont commencé la matinée du 14 mars 2024 ont dû à l'endommagement de sept câbles sous-marins coupés, dont trois à l'est et quatre à l'ouest de l'Afrique. L'accès à Internet a été gravement compromis. Mais comment les jeunes qui dépendent de l'Internet ont-ils surmonté cette épreuve Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir euh, trois invités expert avec nous. Il s'agit de Ibrahim DJ Maitinga. Nous avons également euh, un jeune entrepreneur. Il est spécialisé dans la vente en ligne des produits, bien sûr. Il s'agit de Mahamadou Labo Saïdou. Et enfin, notre troisième invité, un jeune étudiant qui prend souvent des cours en ligne et qui aussi, euh, dans le domaine de conception, il est designer. Il s'agit de Ibrahim Moumouni Haruna. Bonsoir Ibrahim. <laughs> Bonsoir Seno, comment tu vas Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Merci pour l'invitation. Bonsoir euh, Mamadou Labo Saïdou. Bonsoir Seno. Bienvenue également dans notre émission Tous à la Fada. Merci. Et en fin du compte, notre troisième invité, Moumouni Haruna. Bonsoir. Bonsoir Seno, bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà, chers amis, jeunes de la FADA, pour rappel, hier, ma collègue Fanta Chamsou et les mêmes invités ont parlé de l'impact de cette coupure Amis de la FADA, restez avec nous pour une discussion captivante sur l'adaptabilité et la résilience dans un monde numérique en constante évolution. La technique est assurée par le magicien de la FADA, il s'agit de Abdulkader Chambiano et au micro, je suis Ali Moukela alias Seno. C'est parti. Dans la première partie de notre émission, je vous propose d'aborder les stratégies de résilience et solutions alternatives. Nous commençons avec l'influenceur euh, sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Ibrahim DJ Maichinga. Alors, Ibrahim, je commence avec vous. Dites-nous, quelle stratégie de résilience avez-vous mis en place pour faire face aux coupures d'Internet à long terme euh, Moi, je me dis que je ne dépends pas, voilà, je n'ai pas la magie d'avoir l'Internet à 100% chez moi ou dans mon portable. Je suis quelqu'un qui paye l'Internet chez, chez, les opérateurs de téléphonie mobile. Et bizarrement, je travaille avec une seule SIM avec euh, <laughs> une seule connexion, si on peut dire. Aujourd'hui, si l'opérateur a un prolongé, tout le problème aussi. Vous voyez, non Mais, mais, mais, on est, on est obligé d'être résilient, voilà. C'est important, voilà. Euh, parfois, sur nos réseaux sociaux, on, lance des pics à ces réseaux euh, à ces entreprises, à ces sociétés auprès de, qui nous, a, nous achetons l'Internet essayer de nous fournir euh, un internet voilà de, de bonne qualité voilà de à grande vitesse aussi c'est important mais eux aussi je pense je pense pas si réellement ils sont conscients vraiment de, de ce qu'ils font. Je sais pas, c'est parce que ils ont ils sont protégés par le gouvernement ou pas, ou bien c'est Fundibai comme on le dit Zaram euh, Mais je pense que ces gens-là doivent nous donner euh, de l'internet vraiment H24 et de l'Internet de, de, bonne qualité. Tu Il n'y a pas, une stratégie que tu as adaptée pour, euh, pour faire face à cette situation. Si tu as des, activités sur Internet, mm tu vas travailler avec Internet. Si Internet n'est pas là, comment tu, comment tu vas faire Tu hmm, peux rien faire, sauf la production. La production, c'est hors Internet. Hmm. Là, partir faire des, recherches, partir faire des interviews, partir faire des, trucs, venir monter, tout ça, ça demande pas Internet. Hmm. Mais le moment où tu dois diffuser ou publier, il te faut Internet. Et sans, sans la présence de l'Internet, tu peux rien faire. Tu dois attendre le moment où l'Internet va revenir. Comme ça, tu fais, tu continues tes activités. Donc, en un mot, il n'y a pas moyen de résilience avec vous Il n'y a, pas. D'accord. Il n'y a pas. Saïdou Labo. Alors, Saïd, vous êtes spécialisé dans le domaine euh, de la vente en ligne. Quelle stratégie avez-vous euh, adapté pour faire face à ces problèmes de coupure d'Internet Bon, euh, tu l'as si bien dit. vente en ligne. Donc, il faut forcément avec la connexion. Mm. On peut, parce que DJ Maitine avait parlé, donc euh, il a dit, lui, il ne peut pas créer lui-même la connexion. Donc on achète. Quand il n'y a pas la connexion, nous serons obligés de, faire avec ce que nous avons. Euh, si, C'est quoi Qu'est-ce que vous avez Si par exemple j'ai une telle activité et que je fais avec la connexion, si la connexion n'est pas là, je serai obligé de mettre en stand-by l'activité qui nécessite la connexion et de m'y mettre sur des activités qui ne nécessitent vraiment pas de la connexion. Hmm. Bien sûr, en termes de rentabilité, euh, ce n'est pas à comparer. L'autre porte beaucoup plus sur un certain nombre, un nombre important de personnes. D'autres sont dans la même localité, d'autres ne le sont pas. Mais quand on doit travailler sur une activité qui ne nécessite pas trop la connexion, on est obligé de travailler sûrement sur un cercle restreint et qui n'est pas vraiment trop rentable. Euh, c'est noté. Je veux m'adresser cette fois-ci à notre troisième invité, l'étudiant qui prend souvent des cours en ligne et qui aussi, est designer. Alors, Haruna, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle stratégie avez-vous adaptée pour faire face à ce problème de coupure d'Internet Ok, donc euh, merci, c'est nous. moi, d'abord, tout ce que j'ai à dire par rapport à la question de la connexion Internet, j'aimerais dire que notre pays, le Niger, ça nous reste beaucoup à faire. Parce que nous ne pouvons pas nous dépasser au fait de la connexion Internet. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un siècle où il nous faut de la connexion. Et pour travailler, pour interagir avec le monde intellectuel, il nous faut de la connexion. Maintenant, par rapport à la question de la stratégie, et je vous le rappelle, on est des étudiants au département maths informatique. À un moment, on s'est, on, demandé comment pallier à ce genre de problème. Et c'est à ce moment-là qu'est est venue l'idée de créer un réseau local qui permettra peut-être de stocker des données. Parce que quand à un moment, quand il y a une coupure de connexion, par exemple dans le cadre du design, vous pouvez faire des designs, vous les déposez à travers un réseau local. Et quand même s'il y a une coupure, vous pouvez les partager entre vous. Donc voilà peut-être une stratégie qui peut amener aujourd'hui à pallier. Mais quand même, la connexion Internet est très importante. Et là, je, je m'en vais tout droit vers les opérateurs qui sont au Niger pour dire est-ce qu'ils sont en train de faire leur travail. Peut-être si vous prenez les États-Unis, s'ils ont, un, ont un problème de connexion, peut-être déjà ils ont créé des réseaux locaux qui leur permettront aujourd'hui de, de, de, travailler, même si ça dans un cercle restreint, pour pouvoir au moins acheminer quelques travaux. Mais la connexion, elle est indispensable. Voilà, elle est indispensable. Oui, Saïd, tu veux ajouter quelque chose Je un peu ajouter sur euh, ce qu'il a dit. Vous savez, euh, bien, avant euh, l'histoire des câbles coupés, les sept câbles coupés, il y a toujours un problème de connexion au Niger. Et on constate que, franchement, hein, l'utilisation de la connexion dans les années 2015 est plus que la connexion, elle est plus fiable que la connexion d'aujourd'hui en 2023 ou 2024 c'est dû souvent, moi je me demande souvent quel type de politique les gens sont en train d'utiliser. Et avec un ami toujours en cause, parce que toutes nos activités que nous sommes en train de faire, c'est avec la connexion, on le fait, nous on a dit, c'est comme s'il y, a eu, y a eu du sabotage. Les gens ne veulent pas fournir euh, de, de la connexion. Et ce qui est pire, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes dans un environnement X, si dans l'environnement là il y a eu coupure d'électricité, vous allez voir que vous allez perdre la connexion. Cela veut dire quoi Ils ne prennent même pas le temps de mettre des générateurs, ok et pour au moins dans le cas où il y a eu des coupures, de prendre des relais pour fournir euh, euh, la connexion. Donc il faut savoir que ce n'est pas un problème des câbles, mais c'est un problème général qu'il faut en discuter longuement et que l'État prenne ses responsabilités pour que vraiment on puisse avoir un changement par rapport à ça. D'accord, c'est noté. Adino irfadanche kunir fada asinigite kal neo université galora irgo fakaremo internet o masala kan agogi di jirbeu anfo nigba nem connecté mo message sambo whatsapp cité nigba nem samba nangu fogene meden se jine borey kayan gingay fatawche Té, réseaux sociaux bon yadino fada ra unkuna irgonda borfo kangate fatawchi réseaux sociaux bon ici na se kala sa'idu labo irgonde mo dj mai cinga bora karnga be wat kul réseau sociaux bon aga hanu bore harande aga question posé bore se bore aga sarama dam bore binara kuna dj mai cinga mo fo kango ne muni kalora ago kagete giti affiche yana agete internet o mona agi utiliser ikul masala cedira Chers amis de la FADA, avant de poursuivre nos discussions, voici pour vous la rubrique rose proposée par les femmes du studio Kalango. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses coucou, chers amis de la FADA vous qui êtes à l'écoute de la rubrique rose spécialement pour vous aujourd'hui. Dans cette rubrique rose de ce dimanche, euh, nous allons continuer en cuisine, mais là, je vais vous donner deux recettes euh, que vous pouvez préparer à l'occasion de la fête pour recevoir euh, vos amis qui vous rendront visite. Nous allons commencer. D'abord, je vous donne un plat pour le dessert, ça sera un gâteau et après, on fera un autre plat, une soupe de légumes. Si vous voulez, vous pouvez la prendre en entrée hum, ou bien en plat de résistance. Commençons d'abord euh, par euh, le dessert. Ça sera pour un gâteau, vous aurez besoin de 4 œufs, un demi-verre de sucre, un verre de lait, deux verres de farine, un demi-verre d'huile, deux sachets de levure chimique. Maintenant, vous mélangez d'abord tous les ingrédients sauf la farine et la levure chimique. Et lorsque les ingrédients seront bien mélangés à l'aide de votre batteuse ou bien qu'elle soit électrique ou bien à main ou d'un fouet, ajoutez la farine et la levure chimique progressivement et bien mélanger. Et pour que le gâteau ne colle pas sur le moule, graissez le moule avec un peu d'huile et de farine et versez le mélange dedans. Vous mettez au four euh, à 180 degrés ou bien à 200 si vous voulez pour 25 à 30 minutes. Voilà, quand ça sera prêt, vous pouvez le découper et le manger comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez aussi dans le mélange ajouter des graines de raisin sec ou bien des tranches de banane que vous allez mettre euh, juste après avoir euh, euh, beurré votre moule. Vous pouvez placer les tranches d'ananas et verser le mélange puis mettre au four. Ça, ça dépendra de vous. Pour ceux qui veulent aussi plus de gâterie, vous pouvez faire aussi du glaçage pour, pour un peu charmer vos invités. Voilà, maintenant passons au plat de la soupe de légumes. Vous aurez besoin de la viande, des pommes de terre, de la courge, des carottes, des oignons, des tomates, vos épices préférées, ça dépendra, du curcuma et un verre de lait. On commence par mettre un peu d'huile dans la marmite et faire rôtir la viande, puis ajouter les oignons, les tomates déjà hachées et laisser jusqu'à ce qu'ils fanent. Puis euh, mettez les épices, le curcuma, l'ail, le sel et les légumes restants et laissez cuire jusqu'à ce que tout soit bien parfumé. Vous allez sentir une bonne odeur se dégager. Ça sera cuit. Lorsque les légumes sont cuits, sortez-les Broyez-les et remettez-les dans la marmite en ajoutant un verre de lait. Laissez-les bouillir pendant 5 minutes et éteignez le feu. Voilà, votre soupe de légumes, elle est prête. Et attention, pendant que vous allez les broyer soit dans un mixeur ou bien dans un pilon, ne mettez pas la viande. Laissez la viande en dehors de ce mixage et rajouter la viande après. Mais à certains qui préféraient peut-être mélanger le tout de toute façon, c'est une soupe de légumes, vous pouvez la manger quand vous voulez, à votre goût. Voilà, c'est tout, passez de très belles fêtes, on se dit à très bientôt. C'était là la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada. Notre deuxième partie place son projecteur sur la collaboration et partenariat pour euh, la résilience numérique. Saïd, avez-vous développé des partenariats euh, stratégiques avec des fournisseurs, bien sûr, de, services d'Internet pour euh, faire face à ces problèmes? Euh, c'est non, non. Mais je disais, moi j'envisage déjà d'acheter un terminal Easterlink qui la connexion elle est satellitaire. Donc où que tu es, tu peux utiliser la connexion avec un débit extrêmement important allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Donc euh, je crois que si euh, cette situation continue comme ça, euh, je n'aurai pas d'autre choix vraiment que de me fournir ce terminal qui va me permettre vraiment de, suivre mes activités comme je le veux. Quoi. Didier Machinga, selon vous, comment le gouvernement et les régulateurs peuvent-ils soutenir les entreprises numériques dans leurs efforts pour se préparer et réagir aux interruptions majeures de connectivité. Bon, moi je me dis que c'est même plus même tabac, gouvernement et puis ces sociétés, ils travaillent main dans la main, donc je pense que c'est même plus même tabac. Si le gouvernement même en tant que tel, a aucun été ayo kan za gouvernement za société o kanga irga internet to ikula folonka il faut sene gouvernement bumbo borei iwano birera iwano sarusera igu da internet da internet to sigite gumu gouvernement mai na heda societe din donc da gouvernement mana dokayen da kangana ay ku kangat societe di im katrice internet hanno internet ga wala bora je pense que ay kangat citoyen lambda il faut na yingane gouvernement no ni notira nim ka la bora han nima nima internet nera gouvernement mbodingo ga chebe ay kamanti hanno ingin bo agomo da gingona ai wai ifo ne gine bai kuwa yamuno zaka ai wasi dokala la sambu ni famola donc matake gine gouvernement no himga doka dan da la biza gogin heka internet ta hannasino da la biza gogin heka internet ta gabusino parce que borbo bu gono kan hukuna internet ti gon wada borbo bu gono kan hukuna da internet sino i wana i wana goye wani wana activite kai ya dinga il faut que gwamnati mu parce que la bise no naran dan aran kano din il faut karam ba la bise est ce que igo tabi wali sig tabi wanga eh, côté nan go hare de côté internet la bise igo tabi ya dinga gwamnati himga lakal dan vraiment ama am dokayen da ke eh, saru sai kan kan kan kala internet bon kan gana vraiment ima internet to dan borai sai ihanna ma de borane kan 4G ning gong se. am am tia kan wallahi 4G hanano gase de borane 5G na se am tia kan wallahi 5G hanano parce que la bise irgo tabi internet do are imagine aywo silman kaina sahabu kul semaine kul bayma wi ay gingi wi eh, wi koy 9000 internet hinara hmm? arandi wala yanga c'est énorme ni kabo handora margina gogda ibobu nomi e eh, dai sigdu dai sigdu makani goida internet mo matkay badamo asti won operateur han fo mo nigdi nima nima nima 4 giga za wala 5 giga hun kuna zarora gina 18 heures ni c'est déjà ni tacha 4 giga kulnwa maji forana koy woni course le moyen no kan vraiment e himgutan gamday vraiment donc euh, moi je pense que gouvernement himga doke dan pour que imda c'est internet hanno société mo iwana iwana ifo ni gambende mahimmanco se wala boray dugudu boray nanay boramno e euh, ifo ne binde internet hanno boré go kat sani sanni hmm. hunkuna aksi kan boren ne in gangi in gangi za 2019 wala amka parce que starling igbe kan daka bor bob guzur yenodi ay ku kan ti company ku kan sarus bob de parce que inge wo internet gabu satellite no direct ya dinga ir kan asinde kabel kabel asinde kabel ir wona company oh. o kan gonongo kan moi je me dis que da starlink ka wallahi sa company o kai hmm. concurrence no hmm. parce que didi bora kul gozur ka bore mo igiye kai ginga nan highway hansa ambori donc vous voyez moi je me dis que de concurrence gono wallahi har ka ga ti ambori hmm. hadde concurrence gono wondi se don go koizalai ni woga cab fute zamse ni sigidi ni concurrent han kani di concurrent ni kay ni kay bara ambori <laughs> yari no me wol ma jari no sanno ban sanno ban yari nga erum kalo coliseo do hare euh, haruna quelle stratégie avez-vous mis en place pour pallier à ce problème au cas où ça persiste Ok, donc euh, je le disais tantôt tout à l'heure, la création d'un réseau local, c'est très important parce que déjà, ça vous permet au fait de voir le problème avant même qu'il arrive. Mais la stratégie adoptée au début, c'était Discord. Il y avait Discord, qui est une plateforme qui vous permet, qui vous permet aujourd'hui de discuter. C'est comme un bureau, en fait. Mais aujourd'hui, Discord travaille avec la connexion Internet. Et c'est la remarque, si tu n'as pas la connexion Internet, tu ne peux pas travailler avec Discord. Et maintenant, comme eh, mon ami l'avait dit, à un moment, nous aussi, on a commencé à penser comment est-ce qu'on peut avoir une connexion qui va directement être liée au, satellite. Et ça, là, c'est pour dire on a eu un, Britannique qui, a pris contact déjà avec euh, le département, notre département de maths Info, pour nous dire que si dans peu de temps, c'était avant le début des avènements du 26G, on a commencé à faire les transactions pour lui montrer combien nous sommes en train de, euh, consommer en termes de, de connexion Internet pour qu'ils voient, pour qu'ils essaient au moins de nous connecter avec, avec euh, les, satellites pour qu'on puisse travailler. Parce qu'il a dit, lui-même il a reconnu, il a dit au Niger, on a un problème de connexion Internet. Et finalement, on lui avait dit, on a des opérateurs qui sont là. Et c'est comme Metsinga l'avait dit, si aujourd'hui il y a une question de concurrence, les gens vont se mettre au travail. Et moi, ce qui m'étonne le plus, quand vous partez au niveau des ministères, au niveau de, de, de, de ces personnalités, ils n'ont pas de problème de connexion. Peut-être c'est parce que le problème ne les a pas touchés, c'est pourquoi ils ne sont pas, se, sont pas, sont pas mis les mains dans la pâte. Peut-être le jour où ça va les toucher, ils vont comprendre que nous sommes en train de vivre un problème de connexion et voilà qu'il faut vraiment le pallier. Et vraiment, j'invite la jeunesse, c'est pour leur dire, stockez vos données, on ne sait jamais. Stocker vos données, dans un réseau local parce que à tout moment ça peut foirer et que vous, avez envie de travailler et vous avez, vous avez, envie de prendre vos données pour travailler. La meilleure solution c'est de créer des réseaux locaux pour les prendre pour travailler. Ensuite, quand le réseau va revenir, on pourra travailler encore. Voilà. D'accord. Avant de continuer, marquons une pause musicale. On va laisser le choix à Kader ou bien quelqu'un d'entre vous peut nous proposer une musique une chanson qu'on va écouter. Je pense que Kader a le, <laughs> a le choix. Le technicien. <laughs> le technicien du jour. D'accord. Voilà. Donc on laisse Kader choisir une musique. Yes, Salaman. Original. Was wrong roots. Nas, yes, Salaman, école du Ducate. Cap sur le Chimé Panda. 2002. Yes. Dingiza, dingi, dingiza. Chimé Panda. Maman, ça va. Moi, je c'était là la pause musicale de la Fada, tout en espérant que vous avez aimé cette chanson. À présent, poursuivons nos échanges avec cette fois-ci un focus sur les perspectives futures et les leçons apprises. Alors, je commence avec euh, DJ Maïtinga. Alors, DJ Maïtinga, comment prévoyez-vous adapter vos stratégies d'influenceurs pour que dans le futur, s'il y a ce genre de problème, pour que vous n'en souffrez plus C'est nos problème problème, je pense que solution bob sino mataki mataki mataki iro gira internet odai matacho ken himgaza inganda societe dinno kan goga internet nera niger ima internet

de bɔra ni du problème ni man ci bɔra se gomnati nin taxe gine il faut se ni man ni man euh, bɔra kan go internet da ni ga ni man kabarandi il faut se no wonete an do ko bombat da bora amande bombat fo bana suba bora sigi erreur rinte parce que akbe kan hukuna dinga du problème woné inga man wona do ka bombat gon million wala milliard gon ka bana donc gomnati no ga matake oza kan inga no gir sauver hadde gomnati ni mataki bobe yanza do ka yanda ke societe bo iro irgine halas irgne halas parce que irg baykan eh, do internet niger irg hambour fa sans te mentir parce que boray gote fundi bay fundi bay no gogote a harkara aseno boray ya trop de laisser aller mais on kun hadde mataci gono do kala le gono wallahi haraka o kul barmay irg do internet to i hanadima irg go e gesande internet to bo i hanadima amma hadde haya continue akine mataci Kuno sino iro singa mataci Mataje kirgiza irgir goye continue irgi sobe gir goye continue irgi video ir wona haykirte irgi stoke watka internet o normal irgi diffuser que internet sino Matachi fo irgiza kirgiza gorgi <laughs> ne eto bi 1er avril ana sare no gnin yar se poisson d'avril ir télévision nationale ine moi in in moi 25 kila aka ayo zambar fodu zongugu wala e iro kante internet izai man tirn irn irn relayer sanda asambu nongo kul bungo kul asambu après au finish we bara kane non poisson d'avril no to imagine contexte ora kan bore go batu et puis ati ak passé mais iro ba hal poisson d'avril no ni di internet gabu ngono parce que de internet sino de internet sino don harka message da suka mi parce que iro irin relaye sanda jama'a kulma me da ka gar internet sino tele sale na gor kal bore kan bore kan guna information ngai no dia et puis am goro me ka internet gabu se ka internet gono bise aso don bi aka gar internet sino no wala harka da asko no moro mm. to pour dire que internet a gabu a da a gabu boray goida ya hanad ma boray ga informer borai goida borai ga tinge fataw ce ya hanad ma mais mm. gwamnati im gudo ka dakno société di mon pour que vraiment im katrisa internet to irmani si euh Saïd quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience en termes de préparation aux interruptions de connectivité à l'avenir euh, euh, je crois que ce n'est pas une leçon, hein. euh, c'est une panoplie des leçons que chaque jour nous sommes en train de tirer. Et que le Niger, vraiment, c'est une nécessité qu'il y ait une prise de conscience collective, bien sûr, et que le gouvernement puisse prendre les mesures hein, adéquates pour résoudre ce problème. En réalité, euh, comme il l'avait dit, il, y a, il y a euh, une agence qui, s'en charge de ces, de ces de, des thématiques qu'on est en train de dire, la RTP est là, ou ARCEP, l'ARCEP. Mais qu'est-ce que ARCEP est en train de faire Rien du tout. On considère qu'il n'y a pas du sérieux, que la corruption euh, et la mauvaise foi a tellement embobiné les gens de telle sorte que les gens, tant qu'il n'y a pas leur intérêt direct, eux, ce n'est pas un problème voyez Alors qu'il se trouve que euh, le problème de connexion ici au Niger, c'est une réalité. Personne ne peut le nier. Et l'Internet pouvait vraiment apporter beaucoup de choses. Je comprends souvent quand on parle, parce que euh, les gens parlent de, ministère, euh, la connexion qu'il a des ministères. C'est parce que jusque-là, le Niger est à l'ère de l'âge de Pierre Tailly. Je vous dis pourquoi. Parce que les archives et toute autre activité que le ministère devrait faire à l'île, ne le fait pas. C'est toujours manuel. Et c'est ça le problème. C'est pas numérisé. Oui, non, c'est manuel. Et, oui, et, c'est ce qui est euh, déplorable. Aujourd'hui, tu veux, euh, tu, veux, tu veux faire casier judiciaire, tu dois te déplacer. Tu, es né à Difa, tu dois obligatoirement te quitter pour aller à Difa faire ça. Alors qu'il y a une solution qui est là, très simple. Euh, avec cette technologie, on pouvait juste juste en un clic euh, de, ton appareil, et faire euh, ton casier judiciaire et récupérer ça. Et ça ne se fait pas. Donc, le problème, c'est vraiment la politique à l'interne qu'il faut voir et mettre vraiment, euh, prendre les mesures nécessaires pour qu'on puisse aller de l'avant. Parfois, c'est la corruption qui, fait en sorte qu'il y a trop de laisser-aller. Vous voyez, non Moi, je, sais, je ne peux, je peux pas donner une affirmation, dire que non, euh, voilà, c'est la corruption qui, qui, fait en sorte qu'il n'y a pas assez de. Mais je sais que ça manque pas au fait quoi. Parce que tant que ces sociétés n'arrivent pas à corrompre euh, des gens qui doivent mettre, euh, qui, qui, qui, qui doivent, je sais pas mettre quoi. de la rigueur Oui, je pense que ça ne peut pas aller. Ok, d'accord. Tu vois, C'est noté. <laughs> Il le faut. Merci. Il faut de la rigueur. Haruna, alors, qu'est-ce que vous, vous prévoyez Ouais, je, je l'ai dit depuis, j'ai et il y a un dicton qui dit tu peux pas mettre de l'argent dans une connexion et puis après bon voilà ça donne pas finalement tu vas penser à quelle solution et c'est là je l'ai dit il faut peut-être si n'arrive pas à satisfaire si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir le besoin nécessaire dans la connexion internet on peut quitter les opérateurs mais maintenant on est trop lié aux opérateurs parce que on n'a pas cette accessibilité au niveau des satellites. Mais dès qu'on trouve cette accessibilité, on va quitter. On va quitter. Et c'est pourquoi je l'ai dit, les structures qui ont été mises dans le cadre de la supervision de, des opérateurs et, des opérateurs euh, téléphoniques, ils ne sont pas peut-être en train de faire leur travail parce que ah, peut-être il y a eu de la corruption comme il l'avait dit. Donc il faut à qu'il y ait aujourd'hui d'abord une euh, compréhension, une compréhension tangible entre le client et aussi les opérateurs économiques. Maintenant, pour parler, pour, pour prévoir ce genre de problèmes, pour, pour les prévoir, pour voir pour l'avenir, moi je vois que vraiment, on, on peut rien faire pour l'instant, hein. on peut rien faire, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau, un, euh, un nouveau opérateur euh, téléphonique qui peut nous apporter une bonne connexion Internet au Niger. Au cas où, là, les Nigériens, on a des chercheurs aujourd'hui, on a des gens qui font des recherches, on cherche comment est-ce qu'on peut les et les dribbler et aller voir ailleurs. Donc voilà, moi c'est Donc vous voulez dire qu'il faut quitter euh, euh, la fibre optique et se connecter directement avec, euh, la, connexion satellite satellitaire. La, connexion satellitaire, si possible. Moi, c'est ça. que je un peu parler. Mhm. Et vous savez, la connexion, la fibre optique, elle est dix fois plus rapide que la connexion satellitaire. Ce n'est pas un problème. Théoriquement, c'est plus rapide. Ok. Mais quand, par exemple, nos opérateurs téléphoniques n'arrive pas à fournir un service fiable de qualité, donc on sera obligé de chercher euh, quelqu'un qui peut nous offrir avec une bonne qualité. Je donnais l'exemple comme euh, euh Starlink. Il y en a beaucoup de, beaucoup des agences euh, qui, proposent ces genre de, de services de la fourniture d'Internet. Ce n'est pas seulement Starlink. Starlink, c'est même une société américaine. Donc, vous voyez, donc, si la fibre optique, s'il en a, et que vraiment les, téléphonies mobiles euh, font très bien leur, affaire. leur affaire, vaut mieux utiliser la fibre optique dans le cas échéant. Bon, écoute. Ok, c'est noté. Avant de clôturer, nous allons d'abord écouter la chronique de la FADA qui est rendue par moi-même. Bonsoir amis de la FADA. Aujourd'hui dimanche, nous poursuivons avec notre analyse sur le poisson d'avril. Hier, nous avions parlé de ce que c'est qu'un poisson d'avril et son origine. Aujourd'hui, nous poursuivons cette fois-ci avec son impact sur les individus. Pour certains, le poisson d'avril est une occasion de laisser libre cours à leur créativité et leur esprit ludique. C'est une journée où l'on peut se permettre de jouer des tours, de créer des canulars plus ou moins dans le seul but de faire sourire, voire même de provoquer des francs éclatants de rire. Dans ce sens, cette tradition renforce les liens sociaux en favorisant l'échange et le partage d'un moment de légèreté entre proches, collègues et même inconnus. Cependant, derrière le masque de la jovialité se cachent parfois des répercussions moins agréables. En effet, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à une blague, surtout si celle-ci s'avère être embarrassante, blessante ou déstabilisante. Un faux scoop, une euh, information trompeuse ou même un canular bien ficelé peuvent susciter confusion, méfiance, voire même frustration chez certains individus. Imaginez-vous, par exemple, vous rendre au travail et découvrir que votre bureau a été intégralement recouvert de papier aluminium ou que votre ordinateur a été remplacé par une version en carton. Si pour certains, ces situations peuvent être accueillies avec humour et indulgence, pour d'autres, elles ne peuvent être perçues comme une intrusion dans leur espace personnel, voire comme une forme de harcèlement. De même, dans un contexte où les fake news et les canulars circulent abondamment sur les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Le poisson d'avril peut ainsi contribuer à s'aimer le doute et la méfiance dans l'esprit des individus les rendant parfois plus sceptiques face à l'information, même lorsque celle-ci est avérée. Pourtant, malgré ces possibles désagréments, le poisson d'avril demeure avant tout une journée empreinte de légèreté et de fantaisie. C'est l'occasion de se rappeler que l'humour et la dérision sont des antidotes précieux contre la morosité ambiante. En cette période où l'actualité est souvent marquée par des événements tragiques et anxiogènes, Prendre un peu de recul et s'autoriser à rire des absurdités du monde peut s'avérer thérapeutique. Par ailleurs, le poisson d'avril peut également être perçu comme euh, un exercice de lâche-prise et de tolérance. Apprendre à rire de soi-même, à accepter les petites imperfections de la vie quotidienne, c'est aussi cultiver une forme de résilience face aux aléas de l'existence. En conclusion, le poisson d'avril est une tradition à double tranchant qui peut susciter autant de joie que de perplexité, entre rire et malentendu. Ce jour particulier nous rappelle que l'humour est une arme puissante à manier avec préoccupation et bienveillance. Merci pour votre aimable attention. Au revoir à la semaine prochaine. Amis jeunes de la FADA, nous sommes à la fin de notre euh, émission Tous à la FADA d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Ibrahim Di DJ Maichinga. Il est influenceur sur les réseaux sociaux. Nous étions également en compagnie de Saïd Oulabo. Il est spécialisé dans la vente euh, en ligne. Nous étions également avec euh, Haruna. Il est étudiant et aussi designer. Chers auditeurs, voilà, merci infiniment à vous d'avoir été de notre à la prochaine. Bye bye.